Chers compatriotes, chers amis étrangers, bonsoir. Je reviens m'adresser à vous relativement à la situation du pays et par rapport aux échéances à venir. Je le fais avec d'autant plus de plaisir que beaucoup d'entre vous s'étaient beaucoup inquiétés de l'état de ma santé. Je me sens beaucoup mieux par la grâce de Dieu je me sens beaucoup mieux grâce à vos prières. Je me sens beaucoup mieux grâce à l'assistance du personnel médical qui a été à mon chevet. Les activités doivent continuer et la vie doit continuer. Je commencerai donc ce propos par ce qui n'était pas prévu certainement, la sortie malheureuse et hasardeuse euh, d'une composante la justice, à savoir le parquet, à travers son procureur général, qui aujourd'hui s'est livré à des élucubrations et à des hérésies indignes d'acteurs de la justice. Je le commence euh, avec la langue de Morière parce que vous auriez compris que le procureur s'est adressé particulièrement à la communauté internationale. Et c'est pourquoi il a tenu euh, la totalité de sa conférence de presse en langue française et n'a dû résumer en langue nationale Wolof que sur insistance et pour quelques secondes. Cela relève d'une stratégie du gouvernement de Macky Sall, qui sait très bien que les Sénégalais l'ont démystifié. Les Sénégalais, toutes catégories confondues, ont fini par voir clair dans le jeu de Macky Sall et à comprendre jusqu'où cet homme constituait un danger pour le pays et pour sa stabilité. Les Sénégalais ont compris que Macky Sall a été l'un des pires présidents euh, dont on aurait pu euh, s'imaginer au Sénégal. Ce n'est pas seulement par son bilan, mais c'est par ses pratiques dangereuses tendant à diviser les Sénégalais, à les monter les uns contre les autres par des considérations relatives à l'ethnie, à la région ou à la religion. Et c'est pourquoi se débarrasser de Macky Sall est une œuvre de salubrité publique qui nous interpelle tous. la communication du parquet était donc essentiellement destinée à nos partenaires internationaux, partenaires avec lesquels de plus en plus il nous a été donné de prendre contact ces derniers jours, ces dernières semaines, d'échanger à profondeur et de les amener à comprendre la manipulation de Macky Sall qui, jusqu'à présent avait quasiment le monopole de la communication à l'international et en avait profité pour aller dépeindre son opposition sous des traits de terrorisme, euh, d'opposition aux intérêts étrangers et d'irresponsabilité. Tous les contacts que nous avons eus dernièrement, aussi bien au plan bilatéral qu'au plan multilatéral, ont amené nos partenaires à comprendre que le seul problème du Sénégal, s'appelle Macky Sall et son régime, assis et construit autour de la corruption, du népotisme, mais également de la traque des opposants, de toute voix discordante, du recul démocratique. À ces partenaires-là, nous continuons à dire d'observer de très près ce qui se passe au Sénégal et d'avoir à faire un choix parce que les peuples africains ont grandi, ont mûri, les peuples africains ne sont plus ceux-là de 1980, encore moins de 1960. Ils comprennent les enjeux du monde. Ils s'y collent. Ils ont les mêmes aspirations que tous les peuples et ils savent ce qu'ils veulent où et où ils veulent aller. Mais ils veulent le faire la main dans la main avec tous les partenaires parce que nous sommes dans un monde ouvert. Et c'est pourquoi ce qui se présente aujourd'hui à ces partenaires internationaux, c'est d'avoir à choisir où être du côté des peuples africains ou alors être du côté d'un petit groupuscule de tenants du pouvoir qui tendent lentement mais sûrement vers des postures de potentat, pour ne pas dire de dictateur. J'ose espérer que les choix seront éclairés et que tous les amis du Sénégal seront du côté du peuple sénégalais. Le procureur vous a parlé, vous de la communauté internationale. Qu'est-ce qu'il vous a dit Il a essayé de vous dire qu'il y aurait au Sénégal des terroristes extrêmement graves, extrêmement dangereux, qui étaient sur le point de brûler le pays et d'y mettre le feu et d'y répandre le sang. Ce qui est cocasse dans cette histoire, c'est que comme toute arme, le procureur nous dit que ces terroristes n'avaient qu'une lunette, même pas de fusil, une lunette d'un fusil, et qu'ils étaient en train de faire le tour du monde pour chercher un fusil ou monter cette lunette. Il n'y a, il n'y a rien de plus ridicule que ces propos. Le procureur a voulu vous faire croire en un certain nombre de choses sur lesquelles je vais revenir. Mais je vais m'attarder sur la personnalité de ce procureur. Parce que ce procureur est l'illustration parfaite de l'avilissement, du rabaissement de certains magistrats. C'est un monsieur que je connais et qui me connaît, qui est un grand frère, que j'ai connu pendant que j'étais étudiant. Son frère, son petit frère est l'un de mes meilleurs amis ce procureur venait me voir ici à la maison. J'allais le voir chez lui. Donc ce n'est pas quelqu'un qui feignera de me, de, me méconnaître. Il me connaît extrêmement bien. Et ce procureur, durant tout le temps qu'on s'est connu, on a été un peu partout. On a été même demandé la main d'épouse pour des amis ensemble. On a partagé des repas. Ce procureur, que je connais très bien, je le dis encore une fois, durant tout le temps qu'on l'a connu. Nous n'ignorions pas ses pédigrés en tant que magistrat. Mais nous considérions que cela relève de sa vie professionnelle et que notre relation était beaucoup plus une relation sur le champ social et on s'en limitait à ça. Et René du sort, et comme Macky Sall sait si bien le faire, quand il veut faire faire le sale boulot, il a tendance à aller chercher des gens qui ont un certain pédigré extrêmement chargé pour leur faire le sale boulot. Et le procureur Bahoum répond parfaitement, du, en même temps que l'autre procureur et le procureur auprès de, du TGI répondent parfaitement à ces descriptions et ceux qui sont initiés euh, au métier de la justice savent très bien de quoi je parle. Et c'est ce procureur-là qui aujourd'hui s'est livré à cette piètre prestation nos amis étrangers devaient même rire sous cap de voir un procureur général parler de manière si laborieuse et de manière si incertaine, sans aucune preuve à mettre sur la table, que des allégations pour essayer de charger de notre citoyen. Monsieur le procureur a d'abord parlé d'un soi-disant dossier, dossier d'empoisonnement ou de tentative d'assassinat me concernant. Mais tous les spécialistes du droit savent que un procureur, même s'il devait s'autosaisir, doit au moins entendre le principal concerné avant d'aller entendre d'autres personnes. Jusqu'au moment où je vous parle, le procureur ne m'a jamais entendu. Personne ne m'a jamais convoqué pour me parler de ce dossier. Je n'ai pas déposé de plainte et voilà une justice qui pourtant a un certain nombre de plaintes émanant de moi sur sa table. Je rappellerai au procureur général lui-même qu'il a trois plaintes au moins sur sa table que j'ai déposées. Une plainte, deux plaintes contre des avocats et une plainte contre un ancien procureur. Vous avez des plaintes sur votre table que vous ne traitez pas. Et vous vous empressez d'aller convoquer la presse pour raconter des histoires sur un dossier où il n'y a ni plainte ni autosaisine. C'est inédit dans les annales euh, du droit de voir un procureur sur un dossier qui n'existe pas. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'autosaisine. Un procureur mobiliser toute la police pour soi-disant entendre des médecins, entendre des citoyens, faire tout un cirque pour aboutir à dire que c'est un pauvre citoyen qui, qui serait à l'origine d'une tentative d'empoisonnement. Ce procureur manque de courage parce que ils ont été arrêtés le chargé de communication du parti, M. El Maringay, Mais c'est moi-même qui ai dit, et je le redis ici, que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat de la part de la brigade d'intervention polyvalente, unité d'élite de la police. Je le dis et je le redis, le monsieur qui nous a aspergé d'un liquide très toxique qui a euh, euh, causé beaucoup de désagréments au niveau ophtalmologique, au niveau respiratoire et au niveau gastrique, ce n'est pas un citoyen ordinaire, c'est un élément de la BIP que moi-même j'ai vu asperger le liquide. Et ce procureur-là n'ose pas poser ce débat-là. Il nous parle de Yargassi. Je voudrais dire aux Sénégalais que M. Yargassi est un petit frère à moi, est un militant du parti, qui est toujours à côté de moi. Si vous avez l'habitude de voir les vidéos, même quand j'embarque à l'aéroport pour aller à Ziguinchor, Jusqu'au pied de l'avion, c'est M. Yargassi qui m'accompagne. C'est ce monsieur-là que M. Bahoumé allait prendre avec les autres farfelus du parquet pour le désigner en disant que c'est lui qui, qui aurait tenté, de m'empoisonner. Pour essayer d'écarter la vraie problématique, c'est-à-dire les services de police qui s'attaquent aux citoyens et qui aspergent de liquide jusqu'à présent non, non, non, non, non, non, non, non C'est ça qui s'est passé. Donc, vouloir déplacer le curseur et aller prendre un yargassi qui m'a donné simplement un mouchoir imbibé de vinaigre pour m'aider à mieux euh, supporter euh, l'odeur âcre de, des grenades lacrymogènes, c'est prendre les Sénégalais pour ce qu'ils ne sont pas. Et je dis à tous ceux qui veulent l'entendre que M. Yargassi n'a rien à voir avec cette affaire-là, que le procureur la justice, de manière générale, depuis quelque temps, la manière dont il euh, fonctionne, devenu des mercenaires de Macky Sall, certains magistrats en tout cas, devenus des mercenaires de Macky Sall, essaient de déplacer le problème pour sacrifier un petit frère, un militant du parti, à qui je confierai ma vie pour essayer de lui imputer un acte grave posé par les services de police. Au-delà, de quoi est-ce que ce procureur a peur M. Ousmane Sonko n'a pas déposé une plainte. A clairement dit que c'est la police qui lui a, aspergé de ce liquide. Je n'ai pas été informé d'une autosaisine. Je n'ai pas été entendu. De quoi est-ce qu'ils ont peur Au point de faire des réquisitions dans les laboratoires d'analyse, de convoquer tous les médecins pour essayer de savoir le contenu des analyses. Qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher Eux-mêmes savent exactement ce qu'ils ont aspergé sur euh, nous, moi-même, Maître Clédor Sireli, et dans une moindre mesure même, M. Guy Marissagna. Je peux rassurer le procureur, ce qui doit être analysé le sera. Nous l'avons envoyé où il faut, parce que nous savions qu'ici au Sénégal, il mettrait la pression sur euh, tous les laboratoires pour ne pas que, que, les choses soient transparentes. Nous avons envoyé là où nous devons envoyer. Il nous a été promis que les résultats euh, seront connus dans les prochains jours. Nous attendons de savoir qu'est-ce que donneront ces analyses-là. Ce n'est pas la peine, en attendant, de s'agiter autrement, monsieur le procureur. Restez tranquillement à votre place. Monsieur le procureur a parlé de dossier médical concernant Ousmane Sonko. Je veux dire aux Sénégalais que toute cette agitation depuis quelques jours, c'est qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon dossier médical, en toute violation des règles. Parce qu'aucun juge n'a ordonné la levée du secret médical. Au nom de quoi on convoque des médecins, on les malmène à la police, on les harcèle pour leur exiger de trahir leur serment et de donner des informations sur mon dossier médical. Je vous rassure également, monsieur le procureur, j'avais pris toutes mes dispositions parce que je savais que j'ai affaire à un, état vaillou qui n'a rien à cirer des règles et des procédures. Et c'est pourquoi, dès que je suis entré dans cette clinique, j'ai verrouillé je ne, me, suis fait consulter que par mes médecins personnels, ceux-là qui me suivent depuis des années. Je me suis fait suivre par ces médecins. Ils ont été les seuls à avoir accès à moi, à me traiter, à me prescrire et à me, à me surveiller. Il y a un acharnement sur le pauvre docteur Nian. Je veux dire aux Sénégalais que moi, je ne connais pas le docteur Nian. Je n'ai jamais rencontré physiquement le docteur Nian. Je lui ai parlé une seule fois au téléphone c'est un monsieur que je ne connais pas, qu'on veut qualifier de militant de passif et même s'il était un militant de passif, c'est son droit le plus absolu. Et on essaie de régler de vieux comptes, parce que tous les Sénégalais savent que Macky Sall, rancunier comme il est, en veut à ce brave médecin depuis euh, ses sorties sur le Covid-19 et sur la manière dont le matériel médical public était euh, sorti des hôpitaux pour se retrouver sur le marché et vendu à vil prix. Depuis lors, tout le monde sait qu'il y a un acharnement sur le docteur Nian et sur sa clinique et qu'il leur suffisait d'un prétexte pour essayer euh, de lui nuire. Le docteur Nian ne m'a pas consulté. On ne s'est même pas vu puisqu'il devait partir au Fouta pour des raisons familiales. C'est mes médecins personnels, mon pneumologue, mon ophtalmologue, mon orthopédiste, mon médecin généraliste, eux seuls ont eu accès à moi. Et quand j'en ai terminé, comme je vous le dis, connaissant bien les pratiques de cet État voyou, je n'ai pas laissé mon dossier médical sur place. Et c'est pourquoi je suis étonné d'entendre Monsieur le procureur citer un dossier médical. Mon dossier médical est ici avec vous. Je ne l'ai pas laissé là-bas. Tout ce qui a été prescrit est ici parce que je savais qu'ils allaient faire de l'inquisition, parce que ce n'est pas de la perquisition, pour essayer d'avoir accès à mon dossier médical qui relève de ma vie privée et qui ne peut en aucun cas, dans ce cas d'espèce, être à, disposition des enquêteurs. S'ils veulent ce dossier médical, ils n'ont qu'à venir le chercher chez moi. Ce dossier, il a cité un dossier H23 00167, évidemment. Le dossier qui, s'il y, a un résidu de dossier, il ne concernera que la partie hôtellerie parce que j'ai séjourné pendant quelques jours. Mais pour tout le reste, le dossier médical est ici, entre mes mains, et ne sera jamais à disposition de cette euh, parodie de justice. Ceci dit, je voudrais rassurer les Sénégalais. Le dossier est suivi comme il doit être suivi. J'ai bénéficié d'un bon traitement de la part de mes médecins. Nous avons envoyé des échantillons là où il fallait dans plusieurs endroits à l'étranger. Nous attendons les résultats. Et si les résultats euh, concluaient dans tel ou tel sens, si rien n'a été découvert, on vous le dira. Si évidemment c'est des produits toxiques qui ont été découverts, nous vous le dirons également. Mais je maintiens, je signe, je persiste et je réitère à dire que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat. Et ce n'était pas la première parce que rien que le fait de casser la vitre de ma voiture, avec des éclats de vitre qui, auraient pu trancher, me trancher la gorge ou qui auraient pu euh, se retrouver dans mon œil, rien que cela est une tentative flagrante d'assassinat, en tout cas de faire très mal. Et je le réitère, cette tentative émane exclusivement des forces de police, je le dis, puisqu'il y avait des gendarmes et des policiers sur place, je le dis, celui qui nous a aspergé ce liquide est un élément de la BIP je le réitère et si le procureur veut entendre quelqu'un, c'est moi qui aurais dû être entendu, au lieu de faire tout ce cirque-là à convoquer des innocents, à arrêter des innocents et à les faire euh, écrouiller injustement. Le procureur, enfin, a fait de longs développements sur soi-disant des forces spéciales ou je ne sais pas quoi, commando. Mais vous remarquerez que et ça, ça c'est ça la politique de Macky Sall. Et il ne réussira pas à briser ce pays, à mettre les Sénégalais contre les uns et les autres. Mais vous remarquerez qu'aujourd'hui, porter un nom de famille à consonance casamanceuse est devenu un crime sous le régime de Macky Sall. On nous parle de MFDC, on me parle, mais des terroristes du MFDC qui ne peuvent même pas avoir un fusil, qui ont simplement une lunette. Il n'y a pas plus ridicule que ça ils veulent prendre les gens pour des demeurés, pour ce qu'ils ne sont pas. Je le réitère, aujourd'hui, une bonne partie, en tout cas certains magistrats ont peur, parce qu'il semblerait, d'après ce que dit le procureur, qu'ils soient visés. Ils n'ont qu'à se poser la question du pourquoi. Vous ne pouvez pas semer la haine dans ce pays, être les bras exécutifs de Macky Sall dans ces sales besoins. Vous êtes l'auteur de tueries dans ce pays. À chaque fois que vous prenez une mauvaise décision, par rapport à vos petites carrières, vous êtes responsable de gens qui tombent sous les balles. Parce qu'à chaque fois qu'il y a contestation derrière, il y a une, décision injustifiée de la justice. Vous ne pouvez pas continuer comme ça et penser que vous serez en sécurité tranquillement à siroter votre thé. Je vous l'ai toujours dit, si le pays brûle, vous ne serez pas épargné. Revenez à la raison. Autant il y a énormément de magistrats qui font correctement leur travail, qui sont dignes, et qui sont sanctionnés pour ça, qu'on renvoie dans des juridictions les plus éloignées, simplement parce qu'ils ont cette dignité de dire je n'obéirai pas à la commande de Macky Sall. Autant, excusez-moi du terme, il y a de la pourriture dans cette magistrature-là. Et ces gens-là doivent comprendre que ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne suis pas en train de vous menacer, je suis en train de vous prévenir. Si Macky Sall vous garantit la protection absolue, vous êtes engagé dans un combat qui ne commence pas aujourd'hui et qui ne se terminera pas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être des briseurs de carrière politique. Vous ne pouvez pas être des briseurs de projets politiques auxquels des millions de Sénégalais croient. Vous ne pouvez pas être des obstacles à l'espoir des Sénégalais et penser que vous allez vous en sortir indemne. Tôt ou tard, vous rendrez compte aux Sénégalais. Vous rendrez compte devant la loi que vous, êtes, vous étiez censé servir. Et c'est pourquoi vos intimidations ne passeront pas le magistrat qui se muera en politicien pour exécuter des commandes politiques, ce sera lui-même défini comme ennemi du peuple sénégalais, en tout cas d'une grande partie du peuple sénégalais. Et nous assumons nos propos par rapport à ça. Nous ne pouvons pas accepter que ce pays soit pris en otage par un groupuscule de magistrats, quelle que soit leur fonction. Et c'est pourquoi nous vous disons que vous habitez dans ce pays, les gens que vous jetez injustement en prison, ils ont de la famille, comme vous. Ils ont des carrières comme vous. Ils ont des parents comme vous. Ils ont droit à la liberté comme tout le monde. Mais sur commande politique, vous vous permettez de prendre des gens que vous jetez, des innocents que vous jetez en prison, que vous laissez pendant des mois souffrir en prison. Et vous pensez que les gens vont continuer à vous laisser comme ça. C'est vous qui alimentez la haine contre vous. Et à terme, ça risque de se passer mal. Revenez à la raison. Ce pays ne vous appartient pas, il nous appartient à tous. Respectons-nous et sachez que vous rendez la justice non pas au nom de Macky Sall, de sa famille et de son parti, mais vous la rendez au nom du peuple sénégalais. Et ce peuple sénégalais ne se retrouve plus dans ce que vous êtes en train de faire. Il vous a honni à cause de vos comportements. Et c'est pourquoi votre intimidation ne passera pas. Nous continuerons à faire ce que nous devons faire. Et parmi euh, ces actions que nous devons faire, je réitère que le plan d'action du 29, 30 et du 3 avril reste maintenu intégralement. Nous sortirons, nous manifesterons, parce que nous l'avions dit. Désormais, avec ou sans autorisation, nous manifesterons. Nous ferons face à Macky Sall, parce qu'il veut faire croire aux gens qu'il a la capacité de réprimer les manifestations. Il avait dit que ce qui s'était passé ne se passerait plus. Ce qui s'est passé le 16 a démontré qu'il n'a pas les capacités pour contenir un peuple qui debout, qui dit non. Et nous ne devons pas être moins dignes que les autres peuples qui se battent aujourd'hui. Le peuple français a beaucoup d'avantages, énormément d'avantages, mais aujourd'hui ils se battent pour leur dignité. Pourquoi notre peuple refuserait de se battre ou abdiquerait face à, aux, aux velléités dictatoriales de Macky Sall. Nous nous battrons. Ils n'ont pas les capacités, si le peuple le veut. Et si le peuple se met debout, Macky Sall n'a pas le dixième des capacités pour contenir ce peuple. Et j'en appelle à ce peuple-là, à la jeunesse, aux ouvriers, aux transporteurs, aux étudiants, aux intellectuels, aux femmes, aux jeunes, à toutes les couches sociales. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est notre destin. Si on laisse Macky Sall gagner, nous souffrirons encore pendant très très longtemps. Nous, nous maintiendrons ce plan d'action et nous ne tomberons pas sous le piège de Macky Sall. Parce que aujourd'hui, il est omnibulé par son défilé du 4 avril. Il va organiser un très grand défilé, le dernier qu'il organisera, puisque dans 11 mois, il ne sera plus président de la République peut Pétadieu. Il veut faire une démonstration de force et en même temps intimider le Sénégalais pour montrer qu'il a beaucoup acquis en armement, de toutes sortes, des tanks, des chars. En soi, ça ne nous pose pas de problème. La fête de la nation, c'est notre fête à tous. Mais nous ne tomberons pas dans le piège de Macky Sall parce qu'à chaque fois, il ruse. Vous vous rappelez, lors de la crise du Covid, il avait invité toute la classe politique au palais de la République. Et nous tous, on avait dit c'est la République qui a appelé. Nous sommes partis en pensant que ça allait être un nouvel élan pour que Macky Sall comprenne qu'on ne gère pas un pays de manière autocratique et qu'on doit respecter son opposition si on veut que cette opposition vous respecte. On a vu ce qui, ce qui, ce qui, ce qui s'en est suivi. Vous vous rappelez, lorsque nous avons gagné la Coupe d'Afrique, il a appelé. Moi, j'ai été de ceux qui avaient dit que je ne, je ne m'y rendrai pas parce que c'est de la ruse encore. Une bonne partie de l'opposition s'y était rendue. Mais on a vu où est-ce que ça a fini. Aujourd'hui, il veut faire croire aux gens que c'est la fête du 4 avril, c'est la fête nationale, donc nous, devons tous tout laisser tomber et venir répondre à son invitation parce qu'il se, il même un projet d'invitation de l'opposition au 4 avril. Comment pouvez-vous comprendre que Macky Sall emprisonne 300, plus de 300 personnes de nos jeunes, mettre d'autres sous bracelet électronique, d'autres ont été blessés par balle, d'autres ont été tués. Il n'y a même pas une enquête. À ce procureur, justement, je rappelle, où en est-il avec les enquêtes la disparition de Didier Badi et de, euh, de, son, de, son, de son compère. Où est-ce qu'il en est avec l'enquête sur l'assassinat de Maria Massagna Où est-ce qu'il en est sur l'enquête avec les 14 jeunes exécutés froidement lors des manifestations de mars 2021 Etc. etc. Et aujourd'hui, il vient faire une sortie malheureuse pour nous parler d'empoisonnement ou de je ne sais forces spéciales. C'est pourquoi nous disons que nous ne tomberons pas dans ce piège-là. Nous continuerons à nous battre et personne ne nous mettra à dos l'armée nationale. L'armée nationale, c'est notre armée, c'est notre fierté à tous. Ils vont sortir avec des arguments pour vous dire « Oui, ils veulent manifester le 3 alors que c'est la fête de l'armée. » Il n'en est absolument rien. Macky Sall fait des arrestations le 3, fait des emprisonnements le 3. Nous ne suspendrons pas notre combat le 3. Et donc j'en appelle à tout ce peuple. Les 29 30 et le 3 avril, nous allons faire des manifestations sur toute l'étendue du territoire national et j'appelle les jeunes à se mobiliser davantage, à faire face à la stratégie de la terreur de Macky Sall. Parce qu'ils pensent qu'avec les emprisonnements, les arrestations préventives, il va vous faire peur. Nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Nous sommes conscients tous que nous nous battons pour l'avenir de nos fils et de nos petits-fils et que rien ne nous fera reculer. Donc, mobilisation massive pour ces trois jours pour démontrer à la face du monde que la dictature de Macky Sall ne passera pas et qu'en aucun cas, il ne peut gagner ce combat que nous avons initié. Je vous remercie. mbokk yi asalaamualeykum ñu ngi dellu si am ak yéen jotaay ci waxtaan ci tolluwaay réew mi ak ci xew xew réew mi di leen gërëmati tey ñu ngi waxtaan ak yéen ànd ceeg mbégte gu rëy ndax ñu ngi sant yàlla am nañu tan bu baax a baax a baax suñu wér-gu-yaram am na ñu péex gu rëy rëy ñu ciy gërëm ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur ak seen taxawaay di leen ci gërëm yéen ñëpp ci seeni ñaan ak seeni yitte yooyu lépp yàlla boole moo ñu may tey ñu mën a togg ak yéen euh, ci peex ak tal pour waxtaan ak yéen waxtaan gi nag ñoo ngi ko waroon waxtaanee jëmale rek ci woote ci taxawaay gi nit ñi war a am ci li ñuy dëgmal muy ëllëg gannaaw ëllëg ak bu soobee yàlla le trois avril ci li ñu woote nañu manifester fépp ci Sénégal ba Macky Sall xam ni. sénégalais yi ànduñoo ak moom manifester gi nag ñépp ci war a ànd manifester bu ñu jàpp ni manifeste yi affaire ndaw ñi kese la wala affaire Pastef kese la déedéet li Macky Sall bëgg bu ko amee kenn ku ne fi nga toog di nga toog matt sa baaraam bu cax la ñu xeex ñun ñëpp ba ànd ba yegg si fii ba sénégalais yëpp am yaakaar ni lañ doon xaar boobu ba léegi fukki weer ak benn gën saa gudd moo ci des pour ñu mun cee commencé koo liggéey ba ñëpp gis àdduna yëpp gis ni senegal ay ndawam la keneen mën ak la ñeneen mën mën nañ ko loolu la Macky Sall bëgg a fànq tey moo tax bu kenn jàpp ni mbirum usmaan Sonko la mbirum diw la wala diw Ousmane Sonko xaarewul dara ci politique salaire sax bëgguma ko ci politique yàlla mi ñu tiim ak weeru koor gi yéene gu ñu am ci réew mi rek bëgg a liggéeyal réew mi jaamu ci yàlla ba waa réew mi yëpp gis ni lañuy seenu feneen wala lañuy ñuy uti feneen ndekk yomboon nañu suñu biir réew loolu la Macky Sall ak li mu àndal benn benn yi mu àndal bëgg koo jaarale ci justice moom lañ ne tey dañ koo bëgg a fànq ndax dinañ ko nangu moo tax yow taximaan bi yow baykat bi yow étudiant bi yow manise métallique bi yow ouvrier bi yow yow yow kii yow mii di jigéen gi ñëpp laa boole woo ñu bañ a sàggan ba Macky Sall noggatu ak nappaate gi mu nekkee foog ni mun na tiital Sénégalais yi ba kenn dootul ñeme yëngu loolu bu mu mucc bu mu am mucc li ko mën a dindi nag mooy askan wi bis bu xamee dooleem xam mën-mënam xam ni xajul ci kenn xajul ci Macky Sall xajul ci police am xajul ci gendarmerie am gis ngeen tubaab yi la ñoom amuñu ko tey ab français bu toogoon liggéeyul sax am na lu muy ku weer wu ne loo xam ne mun na ko permettre au moins mu fay location ak dund te tey ñoom ñi ngi génn di xeex suba ba ngoon jot ñuy xeex xeex yu métti parce que rek dafa am réforme bu ndaw bu ñu bëgg a jàllale pour ne léegi dootuñu retraité 62 ans waaye 64 ans la ñuy retraité waye xana ñoñu dañu wara gëna bëgg seen bop bu ñu dégg ay nit di essayer dugg ci xelu ndaw ñi naan leen ku fi dé ya perte ak nangam nangam dama naan xéetu njaam gogu mo taxone tubab gi note suñu maam xéetu wax jooju moy nangu teunk sa bop si jam mo taxone tubab bi note suñu mam génération biñu toll nak weesu lolu dañu xamni réew mi rek lañu am amuñu feneen amuñu beneen nationalité bëgguñu ko sax réew mi nag doomu réew mi koy defar te bokk na ci li koy defar ci doomu réew mi projet bii ñu leen andil joxuñu leen xaalis sexaluñu leen lem menacé wuñu leen mais di leen woon benn benn ngeen di gis ba tey ñu am yaakaar ni ñu nga ca cappaan awub Macky Sall ak ay juge ak ay procureur ne ñoom ñooy taxaw ne tey loolu du am ci Sénégal buñ ko nangoo rek ñun ñoo nangu Nous tënkuñu ci njaam ñu ne na suba le 29 gannaaw le 30 et le 3 avril Si ñu kenn essayé Nous kenn ndax da ngay dégg ñu nous avons respecté la république Nous ndax date bi kenn waru ci manifester république ci 3 avril luy 4 avril. suy dóoraat ak suy dóor nit ñi ay bal daf ciy xool ban bés sañu nekk dama ne ku mën a xeex na xeex ku mënul xeex na maadu ci li ñuy xeex waaye kenn duñu tënk ci yooyu ñenn ñi dañ naan waaw 4 avril feetu armée bi la kon weeru ko ñun 4 avril kenn tuddul 4 avril 4 avril suñu 4 avril ñun ñëpp la te armée bi kenn ëpp ëppalewuñ ci kenn gënuñoo fonk armée bi ñun dañoo xam lan mooy armée waaye li ñuy xeex bokkut rek loolu te gëm naa ni lu ëpp ci armée bi ànd nañu ak ñun ci li ñuy xeex dama gëmmu ko sax dama dama cee am yaqin moo tax bu leen kenn dugal ci débat yu amul solo bu ñu deltoo gannaaw rek mooy may nañu Macky Sall fu mu jaare ba faw te kenn dootul noyyi ci biir senegal kenn dootul am aafiya looloo tax nag ma ne waxu procureur sax taxu woon a jóg waaye procureur dafa wax loo xam ne ay wax yu teguwul ci dëgg la may wax sénégalais yi nag procureur bi doon wax tey muy baaxum ku xam la ma xam ko daanaka sama mag la ndax yàlla dafa def rakkam bu mu bokkal ndey ak bàyyi doon sama xaritu benn bakkan lenke ñu ànd jàngandoo première année ba quatrième année université bu ñu jógewaan université ñëw vacances Thiès këram si la bi dama fa daan dem toog rakk ji da doon ñëw seet si ma ñu dem ba mu doon affaire famille day day ñëw fii sama kër daan na fi ñëw daan naa ñëw këram fii à côté procureur baaxum bi waaye juram bu jigéen feebaree ñu entré ko fii Ndakaaru sama jabar moo doon togg añ chaque jour ñu yóbbul ko suñu yaaja ba keroog ñu ko yàlla moomee kon kooku xamantewuma ko su ma waxee nag waxuma ko pour yoole waaye li tax ma wax ko mooy won Sénégalais yi Macky Sall ni mu bonee ci justice senegal Sénégal ni mu munee jël nit wàcce ko ba ci suufa suufa suuf imma dafa am ay dossiers yu mu téye ci yow doog la fal fi mu la fal nome la fi mu la nome ne la li ma bë bëgg ngay def walla mu am lu mu la dig ci xaalis wala ci alal nga topp li muy def foofu la justice bi toll tout justice bi yëpp nag waye ñëpp xam nañ ni magistrat yi bañ yépp tay sonu nañ ci justice bi gis ngeen mouvement bi passé ñi doon bañ ñëpp jël nañ leen sànni leen fu sori jël seen nit tegg leen ne leen limu bëgg ci Ousmane Sonko nga may defal moy warul neka candidat en 2024 baaxum bi bu toogee tay di wax melni kuma xamul di essayer lo Sénégalais ni man Ousmane Sonko terroriste la dama nan aduna lu doy war la waye non la Macky Sall mel ak justice ñi fi jox cër yépp ndomb tank bu tax ñuy wax ci justice bi ku xam sen jaar-jaar ci walum magistrature di nga xam ni fofu du won sen place dossier yi ñu am yépp ci biir magistrature ñepp xam nañ ko baaxum xamanté nañ bu baax and nañu ñaani jabar tok nañu naan atay def nañu lepp motax mom limu wax xam na ni du deug mom limu wax buñu dajewon mais sama rak comprendre ma rek li wax ci bopam xamna ni du deug xamna ni ay mbokam yima sekkal man buñ ko déggee tay am ñu leen metti ta aduna dara jarul yenn waye ma delu ci ci wax baaxum dafa wax ni ben man ba léegi ñamul wax waxul waxul sama wax de man ci li wax ni dañ ma doon essayer fagagal waxna ci El malik limu bind waxna ci presse limu bind waye ñoo ñëpp bala ñu wax man ma njëkk wax man ma dan dañ ma doon essayer fagaagal dañ doon essayer fat sama bakkan te ñiko def wa police le xam nga man limay wax dama ko ñëmé man rayantuma laqatuma limay wax dama ko ñëmé ndax ko jakarlok mu taxaw yor limu yor pompe lako nga gis ko ni ci bir beut man kok kenn duma ko met Maître sire do li gis nako, gi Guy gis nako. kon naka lañu mëna né man ma génn né dañ ma doon es dañ doon essayé faat sama bakkan te ñi ko def waa police la waaye man porté wu plainte moom procureur yéeguma fu mu auto fu mu euh, autosaisiro mu dem di jàpp ay nit di leen tuumal di wax loo xam ne dara du ci dëgg wax dëgg yàlla am naa déception trop ci grand baaxu ba ci kanamu yàlla ndax yarga si bi mu tudd yarga si sama rakk la di ànd ak man ñëpp gis nañ ko su ma nekkee ci oto bi sax yenn saay mooy taxaw ci kaw yor drapeau bi su may tukki moo may gunge ba aéroport ba ci avion bi ndax comme aéroport lay lay liggéey am na droit dugg mooy taxaw ba escalier avion bi yarga si ngay gis mu taxaw foofu kooku confiance bi ma am ci moom lu ma jox ma lekk lu ma jox ma naan baaxum ñëw taxaw ci kanamu sénégalais yi naan yargasi moo jël benn benn liquide def ko ci benn benn mouchoir jox ma yargas yi li mu def ci liquide bi ñu sànnee lacrymogène yi ba mënuñoo xoole bineegar la jël bineegar def ko ci benn mouchoir ne ma président am nga taf ko sa bakkan pour mun a noyyi loolu bokkul ak policiers yi liñ ma sotti mu ñëw taxaw di wax lu du naka su dul noonu ñu dem jël doomu jàmbur ji dem dugal ko ci kaso bi ba pare mu naan information judiciaire la ñuy ubbi may leen procureur waxul dëgg li ñuy nëbbu ñoom ak li ñu ragal waxaguñ ko ndax nun liñ ci war a def def nañ ko comme mbir mi biñ ñu ko sottee am na lu bëri loo xam ne dafa tisoon ci suñuy yére man ma xamoon ni fii boo ko fi yóbboo ñu def pression ci laboratoire yi la ñu war a dak yóbbu génn nañ ko réew mi te nee nañ ñu fan yi dinañu am résultat ci analyse yi ñuy def nañu xaar bu bu dee nee nañ ñu produit bi du dara ñu xam ne du dara kaani la rek bu saf waaye bu dee produit chimique la ñu ne ñëpp produit chimique lañ ñu sotti te produit chimique boobu munoon na faat suñu bakkan tentative d'assassinat la man maa ko wax kon loolu muy premier contre vérité boo xam ne baaxum wax na ko tey ñaareel bi nee nañu wër nañu fu ne pour am sama dossier médical ñoom lu ñuy dee sama dossier ñoom amuñu droit laaj sama dossier médical dossier médical secret la ci anam yu ndaw a ndaw a ndaw yu yu yu yu xaw a diis sax yu xaw a jafe la yoon mun a may ñu accéder dossier médical jàmbur ñuy convoqué ay médecin di leen bundu xatal fii may wax yéen ni tembe sama benn médecin bi docteur Bros dañ ko convoqué waat tey convocation bi yëpp mooy ban façon faj nga ko defal lan moo ko dal ndax defal nga ko certificat médical pour mu bañ a dem procès yëfu ñàkk fayda lañ doon laaj samay médecin man bima duggé ci hôpital bi la xamni comme état say say la ñor état wuyu la sen yon newul ci loi motax tax ma ne leen samay médecin bop duma ma jege su dul won sax lolu man fi ma toll ci dëkk bi nak fi ma toll ci politique ak ñi may rëbb ñep xam nañ sama yaram duma ko jox n'importe qui dama am ay médecin yo xamné ay ati at ma ngi ak ñoom moo tax bi ci hôpital ba dama né wa hôpital ba sen plate plateau médical bi la ñu soxla waaye nag am naa samay médecin ñoom laay woo ñu ñëw xool ma samay médecin ñoo ñëw spécialité bu nekk orthopédie ophtalmologie euh, euh, nu mu tudd euh, pneumologie médecin généraliste yépp dama woo samay médecin ñoo ñëw xool ma la ñuy bind ñu bind ko bu may jógee ci hôpital bi bàyyi ma fa sama dossier médical parce que su ma ko fa bàyyi woon dem nañ ko jëli te duñ ko teg ci yoon sama dossier médical mi ngi nii moo tax procureur li mu doon liir xaw ma moo ko frais moo ko créer xaw ma fu mu ko jëlee sama dossier médical mi ngi nii ba may jógee ci hôpital ba ba ñu bindee li ñu bind bépp ba médecin bu nekk def li mu war a def damaa jël sama dossier médical génne ko andi ko sama kër gi maa ngi ko tëj sama biir kër nee na liir na dossier H23 00167 ñoo xam fu ñu ko jëlee peut-être li fa nekk mooy la ma fay. ci chambre bi ma occupé waaye sama dossier médical de bu soobee yàlla du procureur du juge du kenn koo xam ne di nga xam li nekk ci sama dossier médical bi ba tax ma ne nag ñoom lan la ñu tiit ak lan la ñu ragal woo nañu waa bio 24 ak yeneen laboratoire dégg naa naan leen ndax dañ fa yónnee ay analyse lan la ñu ragal ñoom ñoo ñu sotti ab produit nañu bàyyi ba ñu ba produit ba analyse yi ñëw ñu xam lan moo ci nekk waaye koo xam ne porté wul plainte yónneewul nga xaw ko foko ko autosusuré entendre loko ko ngay wote ay conférence de presse di wéjëji ji di wax lo xamné amul bop amul genn li du magistrature li du justice li banditis banditisme judiciaire la motax nak duñ len bay ci lolu docteur mi ñu japp di ko pamti pamti may wax sénégalais man docteur Niang musuma ko gis ben yon la musa wax ak mom ci téléphone cité kër gorgui la clinique am jege na ma keroog bi may jóge fële xaw naa sonn bi may egsee fii ma ne leen nag yóbbu leen ma ci clinique ba mais wool leen ma samay médecin yu ñëw waaye docteur Niang gisewu ma moom moom dafa xëy dem Fuuta amoon fa dëj wala lu mel noonu waaye comme mere woon nañ ko mere gu yàgg yéen a ngi fàttaliku moo fi njëkk a feeñal seen tappale yu ñu doon def ci Covid 19 bi moo ko fi njëkk a feeñal moo fi njëkk a wax ni. li nga xam ne xaalisu réew mi la ñu koy jëndee matériel médical di koy bu ci hôpitaux yi nit ñi dañ koy génnewaat di ko jaay ci ci marché bi boobu ba léegi nag ñu ngi ko guuxal di xaar fan lañ koy jekko moo tax ñu andi coow li naan ay non assistance à personne en danger di ko woo naan ko yaa hébergé Ousmane sonk Ousmane Sonko du citoyen sénégalais amul droit dem ci clinique bu ko neex ak hôpital bu ko neex kon lii lépp tappale la tentative d'intimidation la te du waaye procureur dellu siwaat na nee na dafa wax ci mbirum ay nit yoo xam ne ay terroriste lañu dañoo fas yéene woon teg ay bomb kalaate ay bomb ci senegal waaye li gën a yéeme ci mbir mi procureur nee na ñoom de benn benn lunette rek lañu yoroon benn genre caméra fetal sax yoruñu ko nee dañ doon wër di wut ay fetal dem nañu jaw bi ak xaw fan di ut fetal te nee na ay professionnels lañu yoo xam ne ñii MFDC la ñu bokk ñii ay commando la ñu woon yu nekk ci armée bi te ñooñu fetal sax yoruñu ko ñu ne ñooñ ñoo waroon taal réew mi xam nga tappale weesuwul loolu waaye li ma bëgg waxtaan ak sénégalais yi Macky Sall li ma bëgg du ko am ndax féewale sénégalais yi ci wàllu weesoo bi mu nekkee président ba léegi ci loolu la nekk seetlu ngeen ni li ëpp ñu ñu jàpp lañ leen jàppee mooy seen sant méngoo ak santu Joola wala santu Casamance tey Sénégal ku fi nekk Casamance te bokk ci Pastef rek boo moytul léegi ñu laxas la pourtant Pastef Mbàkke la ëppee doole ka Casamance Pastef Saint-Louis la ëppee doole ka Casamance Pastef Ndakaaru gi la ëppee doole ka Casamance manifestation day am ci Mbàkke doo dégg ñu ne kenn ab terroriste nga musul am kon lii mu bëgg du ko am nee ki doon organiser manifestation bi ñona mom lañu japp jàpp ni mu ne ba prochaine manifestation ngeen bi ñona ndax du gëna tang sax yenen manifestation yi kon nañu bàyyi tapalé bi Macky Sall fukki wéro ko fi déssé na tak ay ta tagato ta dem ci jamm mbokk yi di gëna a tiaxan ak tapalé gi nga xamné mom le procureur nekké moy mom ak Macky Sall ak Ismaël Madior Fall nenañu légui dal dañoo am yitte ci Ousmane Sonko ak ci wér-gu-yaramam ba bi ñu déggee ñu naan am na ñu ko doon essayé faagagal ñu naan dañuy def l'enquête l'enquête goo xam ne ndey mbi léegi déposé wul plainte def na déclaration ba léegi ñemewuñu tudd déclaration yéeguma foo xam ne moom autosaisiru na ñu ne ña ngay def l'enquête may fàttali procureur bi dossier yu nekk ci table am bari na lool dossier bi ci njëkk mooy dossier suñu sœur Mariama Sagna nga xam ne faat nañ ko fi ci anam yu ñaawa ñaawa ñaaw lu ëpp juróomi at ba léegi justice waxu ci mars 2021 faat nañ fi fukki bakkan ak ñeent Macky ne woon day ubbi lanket ba tey jii kenn déggul l'enquête dem na ba tubaab yi américains yi Nations Unies ñëpp bind nañ ci loolu ne ñoom alkaati Macky Sall yi ñoo tiire bal ci kaw nit ñi waaye ba tey ji déggoo ci justice wax ci filbert Sambou ak Didier Badji nga xam ne réer nañu ci anam goo xam ne yëm na sénégalais yépp muy lu métti ñu lànk sax ni autopsie du am ci benn bi ñu jot a gis euh, euh, bi gaawantu dem parax paraxee ko ana l'enquête procureur nga dellu si ci euh, François Mancabou nga xam ne bu wér te dëgër dugg seen loxo ci wér yaram ñu gënël ñu néewam ana l'enquête procureur nervi Macky Sall yi nekk ci dëkk bi ñu leen di wone bis bu ne caméra yi ñu takk seeni badge police yor seeni jaas ak seeni fetal di song nit ñi ana l'enquête procureur kon procureur xam naa sa xel ngay foye moom mënoo fay suñu xel ñun amatu leen crédibilité ci Sénégal mënatu leen wax au nom de la justice parce que injustice ku koy wër dëgg ci yéen lay ñëw fan mi di wax ak yéen rek ñeenti plainte déposé naa ko ci ñetti plainte déposé naa ko ci sa table ñaari ci ay ay ay ay ay avocat ñetteel bi ci procureur bi fa ne woon balaa yéen ngeen di ñëw ana seen enquête yéen daal leen neex ngeen ngeen di def foog ni dañ leen di bàyyi noonu rek balaa may dee nag ngeen ne dafa am commando bu leen doon rëbb bu leen doon pexeel bëgg a daal seen kaw ñun de yéenewuñ leen ko ndax ñun ñëpp jàmm lañ leen yéene yéenay fitna di dal suñu kaw rek waaye yéene wuñ leen ko waaye nag jàmm dañ koy mayante nu ngeen don, doon doon ay magistrat ay nit dong ngeen dong lu ngeen def ci keneen mu metti ci moom buñ leen ko defee mu metti ci yéen dama ne doomu jàmbur yi ngeen ni jàpp tegu leen ko fenn dul bëgg lu neex Macky Sall di leen tëj ci kaso yi di leen takkal ay bracelet électronique abi yi ngeen di def chaque jour foog ngeen ni loolu mun ngeen ci dëkk ba pare mucc ci mënul ne dossier yi ni leen monteloo fu askan wi amee yaakaar ci projet politique ak projet de société ñu jël ñetti magistrat ñetti magistrat ne leen yéen yéenay dakkal loolu foog ngeen loolu mun ngeen ci dëkk ba pare mucc ci vous mettre contre la volonté d'un peuple tout entier pour plaire à Macky Sall ba pare japp ni loolu mun ngeen ci mucc ñi leen nax ne leen mun nañ leen assurer protection dañ leen di nax rek de ndax xeex bi peuple bi di xeex du xeexu benn fan du xeexu benn weer te ñun ak yéen ñoo nekk fi biir Sénégal menacé wu ma kenn nag waaye dama di dama leen di dànkaaf ngeen xam ni tooñ baaxul loraange baaxul dañ leen a ce peuple sénégalais moo leen di fay pour ngeen atte te ngeen ragal ci yàlla xool ci peuple boobu su ngeen solee nag seen malaanu politicien dem toog di jaamu Macky di ko defal li mu bëgg dina am fu muy toll bis bu jëree mu yëngoo li di dina dal seen kaw yéen it te it senegal yi sonn nañu te fitna yi fiy juddu yëpp depuis les années quatre-vingt-dix ba léegi fitna yi fiy juddu yëpp ci wàllu politique loxo magistrat mi ngi ci gannaaw ci décision boo xam ne ki koy jël leer na ko bi mu bi koy jël ni décision bi waru koo jël. mu jël ko dem toog jàpp njàmburam foog nit ñi mun nañoo continuer muñ loolu procureur comme politicien la ni Macky Sall di politiquer mooy bi ñu commencé ba léegi ñu ngi xool nu ñuy def ba jaxase Pastef ak kilifa diine yi waaye gis nañ ni lajj nañu lajj bu doy waar ndax tey foo dem ci foyer religieux yi bu pa bu élection jotee man coalition bi ñuy bokk moo koy gañe li ci feeñ ci élection législative yi weesu wane na ko du Touba du Tivaouane du kaw la du feneen ak feneen waaye comme politicien la dañ koy waxloo ñu ne ko demal ne dafa am ay xale yu doon waaj a def ay attentat pour dal ci kaw ay kilifa diine mën naa giñ ci weeru koor gi ñu nekk nii ni procureur waxul dëgg moom ci boppam xamul ñoo am na ne waxul dëgg moo tax ñii dañoo dangereux ci réew mi ndax nee len Macky Sall li li gëna sensible ci ay nit lay foy moy bëgg a jaxase nit ñi ci walum diiné walum waso walum xet walum région moy li gëna danger té lolu dara warul ko lu dul bëgg a ci nguur rek may fédéli sénégalais ni procureur baaxul ak nima ko xamé mom xamna ni motax xalé yi gis na bi wax ñuy ñuy commenter nan ko yow bu yow mun nga dem nan ndox ndax woro moom ci boppam diggante ak boroom xam na ni waxul dëgg te kilifa yi muy essayer manipule kilifa diine yooyu xam nañ ni moom waxul dëgg Sénégal yi koy déglu yëpp xam nañ ni waxul dëgg àdduna bi yëpp xam na ni waxul dëgg waa lii lan moo ko jar ci àdduna moo tax ñu dellu di woo sénégalais yëpp nag suñu plan d'action bi ñu tëraloon waxoon nañ leen ni fi mu toll nii tembe

kenn mënuñoo boole kenn wax naa leen ko léegi la ñuy manifester xeex suñuy droit ak suñuy àq Macky Sall li ko tere ne fi ne nii mooy défilé 4 avril bëgg na ñëpp ne cell ba moom mun a def défilé bu rëy rëy rëy te lim ci jublu mooy gën a nappaat Sénégalais won leen di jënd naa ay ngannaay yu bëree bëri bëri ay chars de combat ay mété ay lëli ay lëli défilé ba kenn ëppale wuñ si ndax fête de la nation ñun ci nation bi lañu bokk waaye calendrier Macky Sall du yóbbu suñu calendrier man mii dañ maa convoqué gannaaw suba ci tribunal calendrier bi changé wuñu ko pourquoi ñun ñuy changé suñu calendrier ci leneen ak leneen moo tax ma ne nit ñi bu ñu sàggan ba Macky Sall am li mu bëgg na ñëpp génn massivement na affaire yi gën a tar dañu ne manifestation pacifique jàmm lañu woote am nañu droit génn dox parce que constitution bi moo ko bind bu ko Macky Sall bëggee tere nit ñi nag lépp lu am ci loo xam ne dina indi xëccoo dina indi pëccëxoo Macky ak polisem ak gendarmerie ñoo koy indi lii muy def nii nag foog ni mën na fees bëtu nit ñi may dalal si xelu sénégalais yi Macky prison yi

opposition bi ñu and di Nous li ñi def ben say motax nous Moussa Kiwane ba isolé Pastef bëgg a ni Pastef nous parti bu violent moy parti bu fippu nous dafa fekk Pastef nga singali pas Pastef taxaw yow wayé opposition bi yépp ño avons tay jéxal Macky Sall kon li lañu bëggona waxtaan ak di wax tamit ndaw ñi bu affaire bi dem ba yóbbu len ba ngeen fatte dem bindu ji ci liste électorale yi na ñepp dem bindu ci liste électorale yi na ñepp dem bindu ci liste électorale yi parce que lolu mo leen di jox ngannaay gi ngeen di xexé ba su élection ba ñu mun fa jëlé Macky Sall wala candidat am fi tok mom ndax mom amul droit nek candidat ñu duma ko dès le premier tour ñu abal ñu may réew mi jàmm ak afia ñu defar réew mi may daanel nak ci dalal xelu ñëpp damay gis léeg-léeg bind ñu naan euh, euh, Sonko dañ ko euh, ñi ko wër ñëpp dañ leen a isolé Sonko wéet na Pastef la ñu bëgg a Sonko Pastef kenn mënul ko dara gannaaw yàlla Pastef kenn mënul ko dara gannaaw ma ay at a ngi ni Macky a ngi jéem du tey jii nga xam ne fukki weer moo des ci mandaam la Macky Sall di mënal Pastef lu mu ko mënul woon démb fii leeg Ousmane Sonko ngi dund yor bakkan bu soobee yàlla nañu xam ni Pastef kenn mënulu ko dara kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax ñu gën a yokk taxawaay bi gën a yokk ndëgërlaay bi parce que nag xeex bi dañ koy gañe de te gañe nañ ko ba noppi wasalaam